Je vais vous donner les résultats du second tour. Exemple BFM session 2023, centre de Bakel commune, section moderne. Liste des candidats admis à l'issue des épreuves du second tour. Numéro 192, Maria Massou. 25-4-2005, Saint-Bakel commune. Numéro 155, Hawa Konta. 13-5-2005, Saint-Green Palais. Numéro 153, Hadidjatou Kaita, 17 7 2005 Sem Green Palais numéro 160 Mariam Mangan 22 7 2003 CL Bakel commune numéro 190 Adama Sow 24 2007 Sem Battle commune numéro 147 Aïssata Gueye 23 2006 Sem Tourimé numéro 156 Hawa Conte 22 5 2005 Sem Battle commune numéro 129 Mamadou Diara Diop 7 12 2007 saint commune numéro 177 Cher Ahmed Tidiane Sakho 9 3 2006 Sem Grim Palais numéro 93 Adama Sissoko 22 5 2007 Sem Tourimé numéro 181 Issa Sambou 10 2 2004 CL Bakel commune numéro 72 Abi Ba 9-1-2006, Battle commune, numéro 143, Bintou Farota, 28-9-2004, CL Battle commune, numéro 176, Amina Sakho, 1-5-2006, CL Battle commune, numéro 103, Hadijatou Koulibaly, 15-9-2005, Cher Ante Diop, numéro 95, Aminata Sissoro, 8-1-2005, CM Tourimé, numéro 134, Fatimata Amadou Djigo, 10 2006 Sem Green Palais, numéro 216, Aïchata Traoré, 10-5-2003, CL Bakel Commune, numéro 235, Mamoudou Kamara, 7-10-2005, Cher Ante Diop, numéro 131, Aïssatou Djouf 23-7-2006, Sem Bakel Commune, numéro 259, Naï Mariam 6 2004 saint commune numéro 261 Bousso-Tcham, 23 2007 Cheikh Ante Diop numéro 121 Abdourahmane Diara 21 5 2005 saint commune numéro 90 Saloum Kamara 19 7 2004 CL Bakel commune numéro 146 Aïssata Gassama 21 8 2004 Cheikh Ante Diop numéro 163 Jari 2 3 2005 Sem Tourimé numéro 166 Aruna Diabé 14 10 2004 Sem Green Palais numéro 84 Fatimata Boumou 13 6 2005 CL Battle Commune numéro 128 Amidi Diop 8 11 2000 Chez Ante Diop numéro 255 Djamel Soumbounou 12 11 2004 Chez Ante numéro 138 El Mamadou 5 2 2004 Chez Ante Diop numéro 167 Kadia Ndiaye 10 4 2007 Chez Trumé numéro 20 Hadi Diallo 25 5 2007 Sem Green Palais numéro 254 Oumou 24 janvier 2004 Chez Ante numéro 64 Diariatou Anne 18-6-2005, Sem Green Palais, numéro 12, Mamadou Diakité, 5-11-2004, Sem Green Palais, numéro 264, Kadijatou Traoré, 10-10-2006, Chez Ante Diop, numéro 8, Founet Derdes, 29-9-2006, Chez Diop, numéro 35, Racine Faye, 23-5-2006, Sem Green Palais, numéro 11, Ibrahima Diakité, 8-9-2005, Cheikh, euh, Bakel Commune, numéro 87, Daoud Gassama. Daoud Kamara, 26-8-2004. Cheikh Green Palais, numéro 92, Aruna Sissé, 3-5-2005. Cheikh Green Palais, numéro 23, Fatoumata Diara, 2 janvier 2004. Cheikh, euh, Cheikh, euh, Bakel Commune, numéro 27, Marem Diaw, 26-9-2005. Cheikh Bakel Commune, numéro 29, Awa Diop 1er décembre 2006 Sem Green Palais numéro 31 Maimouna Job, 22 9 2006 Sem Green Palais numéro 70 Dandioba 1er octobre 2006 Sem Green Palais numéro 89 Maimouna Kamara 16 10 2006 Saint-Bakel commune numéro 3 Aïssatou Bari 15 8 2007 Sem Green Palais numéro 71 Fatih Abdouba 5-9 2009 Sem Green Palais numéro 247 Kourol Dit 28 11 2004 Cher Ante Diop numéro 19 Ismaïla Diallo 8 2 2004 Sembakel commune numéro 26 Ageratou Diatre 10 12 2005 Sembakel commune numéro 4 Mokhtar Sissé 17 2006 c'est commune numéro 17 Idrissa Diallo 19 12 2004 un Green Palais et enfin enfin 66 Abdoulaye Ba 20 10 2005 un Green Palais donc c'est comment Diariatou Dessama. assalamualaikum yi encore. 56 56. allah di julli ci Sayyidina Muhammad di sant waa Bakel yëpp nag góor jigéen mag ak ndaw ñu ci jàpp ñëpp man maa ngi tudd Gassama euh, bi sama président Ablaye man euh, ak sama xarit sama doomu ndey Ba. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan ci président jury bi di kontaan ci principal di kontaan ci waa Bakel yëpp ndax ñun ñu ngi fi nekk ak xale yi depuis école ubbi ba léegi te lii rek lañ ci bëggoon lii rek lañ ci bëggoon amuñu fay amuñu salaire amuñu dara mais dañ ko def te yàlla tax defal ko suñu bopp ndax Bakel la ñu wax bu baaxee rek Bakel la ñu wax kon nag ñu ngi sant yàlla di sant waa Bakel yëpp wa man presque awma dom bo xamne day def examen mais amna fi njabot bi nga xamne day jang fi te yalla dafa dogal na même su fekke awma fi dom jege na école bi te walanteeru naa damay liggéey te yalla tax rek di liggéeyal xalé ndax fi sama dom ak domu jambour yep dama japp na sama dom la kon nak ñu ngi jaajëfal waa Bakel yëpp xana di len ñaanal rek ñu góorgóorlu ñu xamne ñu ngi doga commencer nit bu bul wax am nga befem rek yow yaangi dem di def lu la neex bo demee école fële dafa melno dafa mel ne dafa am fu ñu génn am fu ñuy dugg ji dama leen ñaan rek bu ñu demee surtout xale jigéen bu ñu demee ñu bañ a disketu ñu jàng ndax yàlla dimbali leen seen yaakaaru waajur yi bañ a tas ci ñoom waaw nañu góorgóorlu bu baax a baax ñu xam ne nit li mu def rek loolu lay fayu dañu góorgóorlu bu baax di sant yàlla nag di sant suñu professeurs yi ndax ñoom it dañoo dem julli ji mais ku ci nekk da nga def sa kër ñaari fan rek nga bàyyi li nga doon def nga daal di ñëw topp xale yi di leen jàngal guddeeg bëccëg te bu leen neexoon loolu du leen ci topp dañuy wax école tëj na mais ñun suñu professeurs yi dañuy sant yàlla sant leen ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax su ma limee rek damay juum ñoom ñëpp la nag Je suis président communal des parents d'élèves euh, de Bakel commune Nous sommes tous Nous les Nous d'abord les profs qui sont dans les écoles de Bakel Nous le président du jury ak képp point nous sommes commission bi Bakel les hauts surveillants aux correcteurs au président du jury. Machallah, merci. Merci aussi au principal de, aux principaux du, de la commune. du, surtout un grand merci à Abdoulaye Ba qu'on ne peut pas oublier. Il y a le secrétaire général. Moussa Keita qui est là lui aussi c'est le secrétaire communal mais nous sommes tous gaynde yi Moussa Moussa Moussa dafa daw Moussa Moussa dafa daw mais ci le bloc donc nous sommes tous au nom du président départemental qui est Moussa Koulibaly empêché Donc nous sommes tous ñep di sante ma sha Allah yalla nañ ko deewin te doon dakal ñu ren assalamu alaikum rahmatullah ah wa amon na candidat yalla def na jall na deuxième tour bi quoi légui ni jall mom lan nga leni ñaax ñu jëm ñu jall moy nañu renouveler effort liñ defoon nañ ko renouveler wat bu externalisé rek externe déedéet commencé yaa ngi door a commencé dama waxoon ci en transième bi ngay amee si en transième dem sixième yaa ngi commencé première étape deuxième étape baa ngi ni mooy outil bac bi kon nag dès maintenant ngay commencé vacances yi commencé nañ mais vacances pour quelque temps rek ñu commencé duggaat ci kay asalaamaaleykum wa rahmatullah